D'abord, avant d'entamer mon propos, qu'il n'a jamais été question pour nous, pour la famille, pour les sympathisants et les amis de Balle, de sortir dans la presse ou de s'immiscer dans un dossier pendant devant la justice. Il a fallu hier des sorties dans la presse caricaturant Balle comme un vulgaire délinquant comme un criminel, comme un voyou, que nous sommes décidés à nous aussi sortir dans la presse et apporter des éléments de clarification. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons apporter des précisions de taille, des éléments de preuve à notre possession, irréfutable Pour commencer, L'origine de cette histoire de litige foncier c'est suite effectivement euh, le 27 avril 1998 sous le magistère de Maître Jacques Diop, maire de la ville de Rufisque, que s'est réuni à la salle de conférence de l'hôtel de ville de Rufisque la commission d'attribution de parcelles sur le lotissement TNI, ah, c'est-à-dire que non immatriculé, à l'ouest de la gare routière, à l'Inbadrambeng, là-bas, c'est Boridiotibi. À la suite des différentes communications des différents chefs de service, cadastre, urbanisme, chef service technique, etc., etc., la commission a examiné les demandes formulées par les citoyens. À la suite de cela, une attribution, parce que dans ce site, il n'y avait pas beaucoup de parcelles. C'était un petit lot. Une attribution a été faite à des gens. La liste est là par devant nous. Vous comprendrez pourquoi nous ne pouvons pas le mettre à la disposition de la presse, parce que l'affaire est pendant devant la justice. Mais nous allons, pour manifester notre volonté, notre bonne volonté d'apporter des éléments de clarification et des preuves irréfutables, vous montrer en bonne et due forme tous les documents dont nous disposons. Alors, sur cette liste d'attribution, dont des noms euh, de grandes personnalités y figurent, c'est pourquoi nous ne pouvons pas le donner, le nom de Salimata Gay il figure à la 11e place. Pourquoi le nom de Salimata Gay Balégué à l'époque, étant un adjoint au maire, ne pouvait pas figurer sur une donation du, du conseil, mais la loi l'interdit. C'est pourquoi il a donné le nom de sa femme qu'on a mis dans, dans, la liste des attributaires le nom de sa femme, Salim Parce que lui, il ne pouvait pas prétendre en tant qu'adjoint au maire à une donation de, la mairie. Voilà euh, ce qui a amené le nom de Salimatou Gueye dans cette liste. Alors, à l'époque, moi-même, Banadier me l'avait dit, que Jacques lui avait donné une parcelle sur ce site. J'avais moi-même, à l'époque, euh, en fait, euh, attaquer maintenant Jacques Diop parce que je n'en avais pas. C'est à la suite de, ce, de, de cette information que Jacques m'a donné une parcelle là-bas derrière le cimetière de Dangou. Alors, maintenant, Baladjei a perdu ses documents originels. Qu'est-ce qu'il faut faire Il m'en a parlé, j'ai dit, mais écoutez, un terrain ne peut pas s'égarer comme ça. Tu vas aux impôts et domaines, dans le registre initial, tu vas, on te dit le document, si c'est si vérifié, si c'est pour toi, on vous tire le document et vous partez. Il n'y a pas de problème. C'est fort de ça que Baladier est parti aux impôts et domaines, accompagné de sa femme. Devant le receveur, il fait part de ses inquiétudes le receveur lui demande la carte de sa femme et demande à un de ses collaborateurs d'aller vérifier si exactement la parcelle en question appartient à Salim Alors, quand le, collaborateur du receveur des domaines est revenu, il a dit, monsieur le receveur, c'est exact, les informations sont exactes, la parcelle appartient bien à Salim Gueye, né le, né le, habitant à Arafat, Rufus. Et c'est fort de cela que le receveur a fait une attestation à M. Balnedjei, qui est d'ailleurs là, qui est là et qui prouve que la, parcelle appartient à Salim Après vérification, dans les registres et dans l'ordinateur, c'est très clair. Alors, fort de ce document, Baladjé voulant et sa femme voulant entamer des travaux sur le site, est allé en visite sur le site, il a trouvé des carcasses de camions et des voitures. Il a demandé aux gens qui étaient à côté, ils lui disent que c'est Palemben qui a garé les voitures qui sont là. Alors, Balle connaissant bien Palemben envoie un émissaire pour demander à Palemben de libérer ses voitures dans son terrain parce qu'il veut entamer des travaux. Parlement signifie à l'interlocuteur que ce terrain lui appartient, il l'a acheté. Il ben, dit, mais qui vous a vendu le terrain Ni moi, ni ma femme. Mais dites-moi qui vous a vendu ce terrain Le terrain appartient à ma femme. Il dit, en tout cas, c'est moi qui l'ai acheté, c'est pas mon problème. Ça a duré pendant six mois. Ils n'ont pas voulu en parler. Baladier a envoyé un huissier auprès de Parlement. maître Omegei. Tu sais, quelqu'un qui n'est pas dans ses droits, n'entend pas toutes ces, toutes ces procédures. Ça, au moins, il faut en convenir. Alors, quand le huissier est parti, Parle est resté dans ses bottes. Il dit que ce terrain lui lui a, ce terrain lui a été vendu. Par qui Il dit, je ne sais pas. Mais Parle est obligé de porter plainte à la suite de ça. C'est à la suite de toutes ces démarches qui sont restées vaines que Parle a jugé étude de porter plainte. Quand Baladier a porté plainte, la plainte a été remise au, DESCOS pour investigation. Le gars du DESCOS, quand je suis allé le voir, il dit je, suis parti avec les documents, euh, les documents initiaux. Je lui montre, je dis le terrain appartient bel et bien à Salimata et épouse Ça, c'est le document officiel. Mon nom Salimata Gueye, à qui appartient ce terrain, est un Salimata habitant à Dakar. J'ai dit au commandant du DESCOS que, en tout cas, dans le registre du domaine et impôts, il n'y a pas Salimotégué habitant à Dakar. Il y a Salimata habitant à Arafat Roufis. Il a un peu patiné d'air. J'ai bon, ok. Je ne sais pas comment ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait Retourner le dossier euh, au tribunal. On nous dit que le procureur a fait une réquisition, une réquisition pour recevoir des impôts. Mais là, il y, a, une chose extrêmement grave. Et nous détenons les preuves, mais on ne peut pas le dire ici. nous avons donné ces éléments-là à nos avocats une réquisition au receveur. Pour nous notifier, parce qu'il a déjà fait une notification à Balaguer, pour nous dire est-ce que réellement ce terrain appartient à Balaguer. Le receveur, tu sais, quand vous allez à la mairie, vous demandez un extrait, c'est pas le même ou l'officier d'état civil qui vous le confectionne. Ce sont les gens qui vous le confectionnent et qui soumettent à la signature du receveur. Les gens qui ont donné un document au receveur qu'il a signé, n'ont pas authentifié le document. Parce qu'authentifier le document, c'est tirer des archives la vraie information pour établir le document. Ce qu'ils n'ont pas fait. Ils ont établi un document au nom de Salim Diagne. Salim Diagne demeurant à Dakar, ils ont donné ça au, qui ils disent que c'est ça. Le, receveur a signé, il a donné ça au procureur et le procureur dit que donc c'est par qui a fait du faux, il avait avec sa femme. Voilà les faits, comment ils se sont déroulés. Pour mieux vérifier cette information, le lendemain, c'est à la suite de ça que la famille m'a demandé euh, euh, d'adresser ses vives remerciements à, M. Badressen Mamaya, euh, qui s'est investi très tôt, parce qu'il a compris que c'était une injustice dans ce dossier. Très tôt, il est allé voir le receveur, accompagné de et d'autres personnes. Ils ont sommé le de recevoir de leur donner la bonne information. Le gars qui a établi la fausse information a refusé. Oui, devant le bureau du receveur, a refusé. Mais ils ont insisté et le receveur a dit, c'est pas grave, ils ont besoin de ça, c'est une information, on a qu'à donner, c'est des responsables. Ils ont tiré le registre, ils ont tiré l'ordinateur, c'est le nom de Salim habitant Arafat, qui est. Alors, ils ont, ma mère a demandé à ce qu'on tire le document et à ce qu'on le donne. la receveur a tiré le document, ils ont donné ça à ma mère et le document est là. C'est waxantu. Te bëgguñu dugal ci caaxaan. Le document est là. Bëkk démb lañ ko tiré. Bëkk démb lañ ko tiré. Non, dañ ko gis ñoom ñëpp dañ ko lire. Duñ dul jox kenn document. Mais dëkk.